Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver. Vous êtes bien sûr sur la DTV et votre émission Débrief, Débrief, votre magazine sportif tous les mardis. C'est un plaisir véritablement de vous retrouver chez vous tous les mardis, Mesdames, Messieurs, Nile, nous sommes lay demain. ngi rek dettal li nga xamante ne jëm ci wàllu xabaaru tàggateeram tey jii mbokk yi maa ngi ànd sama consultant di Alioune Soumaré Alioune Soumaré ñu ngi lay nuyu. Euh, Sambou Biagui maa ngi lay nuyu gaa yi lay nuyu ngi ñu sopp ah, en tout cas merci merci d'être venu mesdames messieurs tey jii euh, quatre thèmes. Ah, ah, équipe nationale du Sénégal notamment le cas Aliou Cissé ministère des sports dafa ne du reconduire contrat am te la fédération bëgg ñu reconduire contrat pour trois ans. Euh, kon ñu daal di euh, wéyal contrat waaye ministre des sports loolu la bañ looleel dinañ ko waxtaanee dinañ ci ànd nag Habib euh, Habib. Ba du côté de Saint-Louis mu ngi seetaan ni ki waa c'est un entraîneur de football un grand technicien du football moom tamit suñu consultant la dinañ ànd ak moom au téléphone. alors on parlera également de les de de la Ligue 1 de football professionnel ak jaraf de Dakar mi nga xamante champion en titre ba nëgëni amagul victoire waaye nag bu ñu xoolee benen ndam am na mooy ki nga xam ne nag moom mooy Sonacos mi dem euh, ca euh, Mbour euh, daan fa Mbour Petite Côte mi nekk jafe-jafe entraîneur bi nee na match bi di ñëw bu fekkente ne moom gañewul dafay daal di démissionné leneen loo xamante ne dinañ ko fas yéene waxtaanee ci seen magazine débrief mooy li nga xamante ne moom mooy ballon d'or africain ak ballon meilleur joueur BBC hein, Sadio Mané ànd ci ak Kalidou Koulibaly face à Mohamed Salah hmm, ndaxte ñaar ñooñu tableau yépp ñoom dañ ci ànd dinañ waxtaanee tamit li nga xamante ne moom euh, championnat Espagne moy Liga espagnole ak le la difficulté du Real de Madrid mi nga xamantene dafa dem Eibar ñi dóor ko fa 3 à 0 hein. Ligue des champions nak mu ngi dox jamono jilé dinañ and ak yeen ci li nga xamantene mo jëm ci walu résultat yi leneen lo xamantene nañ ko waxtaanee moy Cannes de handball Hein, le handball l'équipe nationale du Sénégal quitte cette nuit wara dem fa nga xamante ne Brazzaville wara a teewee li nga xamante CAN féminine de handball 2018 ca Congo Brazza. kon ponk yi lañ fassiyene waxtane ci sen émission débrief li ñuy tàmbalee nak ginnaaw bu ñu nuyo suñu consultant bi nga xamante ñep ñëpp xam nañ ko c'est un ancien international de football ancien capitaine de la gendarmerie de Dakar aujourd'hui il est consultant de la DTV ñu ngi koy rafetlu bu baaxa a hein, ci and bi muy ànd ak ñun saa su nek ngir rek rek mën a faraf fàcci lépp li nga xamante ne moo jëm ci wàllu euh, tàggateram ndaxte moom yemu rek ci wàllu football mu ngi feneen ak feneen ak feneen moo tax kon ñu war a ànd ak moom ah Aliou Soumaré ginnaaw bu ñu la nuyoo euh, li ñu njëkk tàmbali mooy euh, le ministère des sports dit niet à la fédération sur la reconduction pour par plutôt le le le la prolongation du contrat de Aliou Cissé bi nga xamante ne le 5 la war a jeex mais ministre nee na moom àndu ci lu mu mën mooy mu def avenant bu demee Coupe d'Afrique bu jëlee kan bi mën nañ ko reconduire contrat am bu fekkente ne jëlul kan bi kon dañuy yemale foofu contrat bi ñu bëri nag yaakaar ne loolu yenu na mana. waaye fédération ñoom li ñu bëgg mooy déjà ñu prolonger son contrat avant même la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 waaw loolu euh, c'est une surprise hein, pour euh, le monde sportif parce que Aliou c'est comme ni ñu ko waxee dañ ko assigné woon benn mission c'est-à-dire euh, gagner la CAN mooy jël coupe d'Afrique bi nga xam Sénégal mi ngi daw ci ginnam bob ba légui légui euh, fédération ñom bëgg nañ ko yokal pour ñetti at mais ministère ñom dañu avant naa leen ko bëgg a defal ba kan bi donc c'est-à-dire que euh, mission bi ko assigné c'est-à-dire la la la CAN je crois que c'est un c'est un objectif bo xam à atteindre par A ou B donc là donc le ministère en cas de de victoire finale ils pourront peut-être revoir ànd nga ci ak ministère waaw ouais, parce que tamit euh, je crois que Aliou c'est l'un des entraîneurs. Mhm. moom bu gën a gën a yàgg ci si euh, sélection. mën nañu wax sax moo gën a yàgg ci. sélection donc je pense que jox nañ ko jot bi mu waroon jox yëpp jox nañ ko temps bu doy. Mhm. pour mu def ay résultats ensuite à cela s'y ajoute tous les moyens moyens mis à sa disposition. ak le le le le le talent le talent que que regorge sur cette équipe nationale là mhm. ak sénégalais ñu ñu évoluer à l'extérieur di wane xarañte bu baax a baax donc je pense que warul def leneen du def résultat. Mhm. donc je pense que ministère de l'Automne tam def ci xaw parce qu'en cas de on ne le souhaite pas en cas de faillite. Mhm. je ne pense pas pourquoi nous koy prolonger pour trois ans. Mhm. donc vraiment. li ministère wax vraiment yenu na maanaam xel quel monde nous nangu. très bien alors ñu jokkoo ci ak sunu consultant beneen consultant di Abiba Abiba ñu ngi lay oui maa ngi leen di fay maa ngi Abiba. oui. Abiba du côté de Saint-Louis hein? oui maa ngi leen di dégg bu baax. waa kay abi maa ngi lay nuyu bu baax a baax naka waa Ndar. ndar baa ndara ngi fii maa ngi leen di fay bu baax. dégg naa foofu de glace baa ngay wàcc. <laughs> waaw yëf yi moom euh, macha allah ndar moom vraiment le climat est très bon. ah très bien alors ñu ànd ak yow dégg nga Aliou Soumaré euh, li mu wax ci mbirum reconduction ou non du contrat de Aliou Cissé yow lan moo ci sa gis-gis. ok. Euh... Vraiment, ça c'est ce que je peux dire tout simplement d'abord, euh, c'est venu à son heure, ou bien c'est un peu tard. Mhm. Tu as vu, donc là, lui, ça fait vraiment deux ans, mhm. les gens en parlent. Mhm. Et tous les techniciens au Sénégal, euh, la rue, n'y ñi n'y wax ci donc euh, et, euh, le problème li à à aussi, c'est euh, un problème de remplacement. Mhm. L'UCC ne, ne, sait pas faire des remplacements. Mhm. L'UCC ne sait pas faire des changements. Mhm. Si def classement itam gis nañu bi mu commencé ak léegi sax yaa ko wane a fait qu'il a convoqué plus de 60 joueurs. bon et tout le monde parle ni ngi nan Aliou système de jeu. bon et on sait aussi qu'Aliou Cissé a des états d'âme parce qu'il y a beaucoup de nos joueurs, mhm. de nos joueurs cadres, qui ont quitté l'équipe mhm. d'affaires affaire de tempérament. Mhm. On sait que Cissé ne sait pas communiquer, particulièrement avec la presse. Donc, donc ma énuméré du ne du man du mais ci rek. Mhm. entraîneur national mhm. alors que mom dafa à la fois. Mhm. maintenant. le ministère. effectivement vraiment je les félicite. parce que tout le monde est d'accord parce qu'ils ont rejoint euh, euh, la population ils ont rejoint la logique. cette logique que la fédération ne veut pas. C'est quoi cette logique dont vous parlez Cette logique, c'est le fait que tous les Sénégalais, mhm. en tout cas la majorité des, Sénégalais, savent que Aliou Cissé, kenn contre ko mais on, préfère notre équipe nationale xam nek si on continue continuer avec l'équipe nationale on ne va pas prendre une coupe d'Afrique mhm. comme je l'ai toujours dit on peut aller en euh, euh, quart de finale. Mais on ne peut pas gagner une Coupe d'Afrique avec Alun Cissé parce que tout simplement, ndax li fi énuméré. Pourtant gagner na match des pratiquement. Oui, et, là aussi on revient sur la même chose parce que on a on en a tellement rabattu a nañ ci ñëpp wax nañ ci. Mhm. match yi mu gagné yëpp ben match la fi def match bo xamné bi alors amna valeur. Mhm. moi, contre Pologne. Mhm. bi mu fi les matchs amicaux. Et ça, c'est ce que je répète encore au niveau de la fédération, au niveau de, du ministère, mhm. les matchs amicaux. Car on a vu que euh, euh, euh, le Nigeria mhm. a joué un match amical contre le Brésil. c'est le Cameroun, pardon. Mhm. Contre le, Brésil. Mais une équipe qui, veut, gagner une Coupe d'Afrique. Une équipe qui veut aller en finale. Mais équipe bruit d'une finale, équipe bouillie d'une demi-finale, là, la <laughs> voilà et comme je l'ai toujours dit actuellement pour une qualification en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde je l'ai toujours dit que ça ne doit plus être un objectif de la fédération. Mhm. ça ne doit plus être un objectif du Sénégal et ça doit plus être un objectif d'un entraîneur. d'un entraîneur ne dama entraîneur bi sax dem ci euh, Sénégal la fédération. Mhm. c'est pas pas. on peut fermer on peut qualifier l'équipe nationale. Mhm. Maintenant, ce qu'on veut avec les joueurs qu'on a, mhm. avec toutes ces qualités de joueurs qu'on a, mais ce qu'on on peut gagner une Coupe d'Afrique. Et malheureusement, notre fédération, qui est une fédération qui a vraiment, ils sont mûrs. Allez, allez, allez, ah voilà donc fédération bi ñu yore. <laughs> fédération bo xamné bi, ah. dañu xarañ. Mhm. dañu xam football amul luñu deful ci football. Mhm. li ñuy raay Aliou Cissé ni, dafa ñuy gaañ. Mhm. te ñun li ñuy raay ñoom li ñuy raay Aliou Cissé ñom xam nañu ko. mooy lan. c'est parce que tout simplement ñom ñoo fal Aliou Cissé. C'est suñu dàqee Aliou Cissé. Hmm. Aliou Cissé donc en ce moment ñoom itam dañu leen wara a parce que ñom ñoko indi. Hmm. ñom loolu la ñu ragal. <laughs> mais buñu ragal loolu. Hmm. na leen intérêt pays bi. na leen ëppal importance. ñom seen position. parce que xam nañ ne que Aliou Cissé mënul yobu et la raison. soo xoolee le ministère bi ñu dellu see coupe du monde mais tout le ministère et on sait le ministre mais la coupe du monde bi presque beaucoup. Mhm. parce que su waxee effectivement il ne peut pas dire que de raay comme ni fédération bi danaaye mhm. c'est la raison pour laquelle il a envoyé son directeur de haute compétition. Mhm. Moi, bi la première fois bi mu ñëwee di def bilan coupe du coupe du monde moi Souleymane Boundaour on a échoué. donc quand le directeur de la haute compétition dit ça. Ça émane du ministère. Mhm. Et ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Mhm. Et nous, nous... lu ñu wax noonu kon euh, lu reconduction nga reconduire contre Aliou Mais ce que je dis. Waruñu prolonger. Euh, là, il y, y, a une nuance. Prolonger, pas reconduire. Mais prolonger. on doit arrêter ça maintenant. Légui lañ ko wara def. Ah. Légui lañ wara dak Aliou de ce fait ñu jox ko ñu jox équipe bi groupe d'entraîneurs <laughs> très bien mom dinañ dinañ dinañ ñëwaat si yow léegi léegi hein. euh, Aliou euh, Ba hein, notre consultant euh, nekk entraîneur de football Saint-Louis dinañ ñëwaat si yow kanam je rappelle qu'il a entraîné beaucoup d'équipes comme l'Union sportive de Wakam, la Gendarmerie de Dakar entre autres hein, Moi, technicien bu Magamak, qui euh, euh, euh, football. nga raisonnement bi mu def hein. bon dafa il est allé plus loin. ne mm-hmm. léegi lañ ko war a lañ ko hein mais mais côté raisonnement par rapport ak li nga xamante ne moom mooy bu muy mo nan dañuy raay Aliou parce que euh mom japp ko fi teg voilà ñom ñofu ko fi teg kon bu bu ñom tamit dañ leen wara a vont se désavouer eux-mêmes mhm. donc moi je pense que raay bi amna mais comme ni ñu ko waxé mhm. hein à la CAN maintenant s'il y a des résultats mhm. moi je pense que les ministères, wax les ministres xel mën nako nangu xel mën nako dégg c'est-à-dire que su dee dem na dem na si Coupe d'Afrique des Nations bi. Mhm. def un résultat positif que tout le monde attend. Mhm. je pense que là on peut encore ah continuer. surtout que le contrat c'est fini le 5 mars. 5 mars ah. donc ce qui veut dire que euh, mhm. c'est pour bientôt. alors que la CAN c'est en, été prochain c'est-à-dire mm mois de juin. donc euh, qui va euh, amener l'équipe si on arrête le contrat. Mars, avril, mai, juin, 4 ah, mois, mois. 4 mois. Ah. Lolo, lolo, kon, avant d'en quoi. Mais même aussi, si vraiment, wolo ne bopam, wolo ne ligueyam, xam na ne war na mën a atteindre l'objectif qu'il est assigné mhm. je pense que war na mën a nangu avenant boobu mhm. dem dem au front dem dem terrain mhm. wone mais mais moom tamit bu jàppee ne euh, loolu euh, dañ koy dañ koy dañ ko bëgg sànni euh, moom tamit war na mën a bañ waaw war na mën a bañ mais aussi ko maintenant bu demee ba bañ nag c'est ça c'est ça foofu mooy problème bi léegi bu demee ba bañ nag waaw man moi je pense que bañ bi sa waru ci mën a nekk parce que en fait comme ñu ko waxee à l'entame de mon propos c'est l'un des entraîneurs qui a le plus duré à la tête de cette sélection-là. Mhm. Avec tous les moyens mis à sa disposition, avec, des avec, avec des joueurs un peu partout en Europe, les gens ont mhm. Donc je pense que mon Warnamouna, actuellement, mhm. avec le temps qu'il a fait avec les finances, avec le temps où il, a mis à chercher, Warnamouna a une équipe pour équipe à la canne pour faire un résultat. Ça, je pense que normalement, un entraîneur. Mais, mais, mais, non, de liquidation de, pour Alucissé est-ce qu'il ne va pas considérer ça ainsi Non, je ne pense pas. Normalement, on le considérer comme liquidation. Parce que, avant, on a un canne. Mais Cannes, mon objectif entraîneur, il y a une sélection nationale, il y a à la Cannes. Si on le sait, on comme on Moi, je pense que la fédération, ils ont, ils ont fait des le, ministère, mhm. ils ont fait parler la sagesse, quoi. Parce que, mhm. après la Cannes, par exemple, en cas de Schengen, donc prolongé de trois ans mhm. pour, nous, pour, pour, jouer quelle compétition après eh, eh, est-ce que Aliou Cissé jotu ko wax fédération né man boole ma boole prolonger prolongé wul sama contrat de trois ans. xëy ah, bien sûr a bien sûr xam nga je ne serai pas entraîneur mën na c'est possible parce que mm-hmm. xam nga boy négocier do négocier sur le court terme. Mm-hmm. dina jël trois ans deux ans trois ans. Mm-hmm. moo tax peut-être loolu tam mën na ci nek fédération mom and nañ ci pour ça pour les trois ans. mais c'est le ministère qui a dit ñet c'est aussi logique hein c'est tout, à fait logique. Mhm. Tout à fait compte tenu des, résultats que nous avons eus depuis le temps et compte tenu des ambitions du Sénégal. Mhm. l'objectif, c'est logique quoi, que cette décision-là soit euh, prise par rapport au ministère. Mhm très bien alors dinañ and ak euh, euh, Abiba ci kanam touti mu ñuy delluwaat ci mbir Momlé, le mhm. li nga xamante ne contrat euh, donc Aliou Cissé la prolongation de son de son contrat alors mais mais xam nga luma ci jaxal mhm. par rapport Habib lu mu wax moy sank brossé naa ko que ni mom il est pour dafa mel ni dafa anticiper peut-être ci position demain de Aliou Cissé parce que suné ne Aliou Cissé bu taxé ci position mu bo boole ma prolongé wul man fini équipe nationale je finis mon contrat le 5. Euh, et que ministère aussi maintenir sa position que ni man duma signer le contrat 3 ans dama lay finir avenant. limi wax nonou est-ce que l'on dina dina dox moy mettre sur pied un groupe de. ah oui bien sûr parce que entre le mois de mars et le mois de juin bon n'y hein, il a mm-hmm. pas beaucoup de temps mais en fait. au statut de l'équipe nationale mm-hmm. n'importe quel entraîneur chevronné boo au mois de mars. Nous regrouper joueurs une bonne sélection faire bien fonctionner la mayonnaise on peut faire un résultat. ah oui ah oui. Mhm. on a les joueurs pour. Mhm. maintenant si on a un bon <laughs> un bon staff. on risquerait de faire comme comme ñi euh, pas comme les Espagnols mais presque comme les Espagnols. oui mais mars mars juin quatre mois là. Pas quatre mois là mais xam nga même si même s'il continue au mois de mars il y aura très peu de matchs amicaux par rapport à la CAN aussi. Mhm. Mhm. donc moi je parle de euh, li wax mhm. c'est-à-dire qualité joueur ñu mhm. aurait, ah, hein, entraîneur bu souverain beaucoup ko mais war ci def ah, on a vu des sélections ils ont les dañ leen repêché ñu dem jël euh, euh, tournoi jël ko. alors qu'ils n'étaient même pas préparés à ça. ouais bon on n'a même pas repêché on a par exemple. Euh, l'équipe de la Croatie pour maintenir le ah, barrage le barrage on a vu euh, le Danemark euh, coupe d'Europe. on a vu le Portugal le Portugal coupe d'Europe mm-hmm. alors que les joueurs étaient en vacances. New mm-hmm. Orleans ils sont rapidement ñu dem donc ce n'est pas ça le problème. donc ce n'est pas un problème de. de, temps non de jour ni de temps. la qualité la qualité est là. Mm-hmm. si on a de bons techniciens. on a wax a les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut y a y a de la place pour faire un résultat. Mais bon, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il n'y aura pas de solidarité Parce que y a une hypothèse, la <laughs> solidarité de ces joueurs hein, envers Alucissé pour peut-être euh, saboter la, Coupe d'Afrique. Mm-hmm. Mm-hmm. Moi, je pense que les joueurs, c'est avant tout des professionnels, mm-hmm. c'est avant tout des patriotes. Il y a une Coupe d'Afrique. Ils sont professionnels, ils sont patriotes. Oui, ils sont patriotes. Aussi, je pense que on ne peut pas nangu avenant avenir en tant que en tant que patriote en uh-huh. tant que professionnel. Uh-huh. faire montrer aux Sénégalais qu'il est capable de de d'amener la Coupe d'Afrique ici. Uh-huh. je pense que ce serait ce serait peut-être. une victoire victoire extraordinaire. extraordinaire pour moi. mais si vous refusé. moo peut-être euh, Mais wala mais trois ans. ok je dis je vais à la Coupe d'Afrique des Nations je remporte ce trophée là ce sera encore mieux parce que vous renégocier ce contrat. ce sera pas avec un salaire qu'il a actuellement. Ah, il faut oser. Mhm, mhm. mais bon aussi euh, du contrat ça ça contrat contrat bon écoute euh, le signé contrat trois ans. Mhm. mais. c'est assujetti c'est assujetti d'un résultat. Ah, voilà ah. donc ça veut dire que waaw ñu dem ci contrat bi. dem ci contrat bi. ci biir contrat bi ñu ne bu fekkente ne gagné nga. Hmm. mën lañ mën nga. prolonger pour bu fekkente ne gagné woo. ah oui on arrête. on arrête sans sans condition. bien sûr mais yooyu dañ koy teg sur la table parce que nag c'est xam nga le lot des entraîneurs dans partout dans le monde c'est ça da ngay ñëw signer un contrat de 4 ans avec un club au bout de 5-6 matchs nga nga les résultats ne sont pas là parce que un entraîneur boo ko jëlee c'est pour faire des résultats. Oui, évidemment. Amoul ne convainc pas la population sénégalaise. Alors, ça c'est depuis longtemps tout le monde l'a dit tous les férus de football parce qu'il n'y a pas de projet de jeu on joue mal L'équipe gagne certes mais contre quels adversaires. ah soo ko seetloo adversaires yi ñu gagné yëpp c' est des adversaires. Ah, qui sont largement man loolu lay wax ni ma ne. largement à la portée de même bu fekkente ne amul entraîneur. de de rek mën nañu gagné. benn coup franc dóor kenn mbëkk mu jeex et puis surtout. Mhm. mais c' est à dire équipe bu ñu daan pour war a jël jeu euh, jël euh, une coupe. Mhm. foog nga wane loo xam ne day dal xel. Mhm. c' est à dire bu gaa yi déroulé rek nga xam ne équipe bi. lépp nga fi pour Sénégal sax léegi dafa mel ni dañ ko sax. ñëpp Sénégal équipe bi muy joué moom équipe beaucoup ko opposition même ay Soudan yi ñu mujj dajal sax. Mm. dañ lay dominer sur le plan du jeu. Guinée équatoriale c'est c' est pas possible. Mm-hmm. alors que ñoom amuñu benn jour boo xam ne extraordinaire. Mm-hmm. c' est parce que y' a y' a un problème de de de de d' animation. y' a un problème de bon wax rek mais amuñu ay joueurs. y' a peut être que Sadio Mané. oui le reste amuñu ay joueurs extraordinaires mais am nañu ay joueurs yoo xam ne poste ñuy occupé. Mm-hmm ils sont extraordinaires en voilà ils sont extraordinaires am <laughs> am ko ils vont faire dinañ ko utiliser à bon escient. c'est-à-dire que c'est l'utilisation qui pose problème. parce que quand tu prends des joueurs yo xam pratiquement ils ont une vocation défensive mais tu ne feras que défendre. très bien ci kanam tout ñu and ak euh, Abiba bu fekkente Abiba mu ngi en ligne ah ñi ñi ñi jël ko and ak mom ba ni parce que il faut ñu wax aussi ci Joyou Sadio Mané hein <laughs> waaw. Euh, alors alors Habib Habib en ligne euh, donc nous nous nous parce qu'il faut nous voir aussi. si ci contre. Euh, après le match. après le match bien sûr mais point B, je mhm. euh, continuer à bi mu euh, parce que <laughs> je suis déjà présent. Arrêtez le euh, contrat le contrat tout de suite et puis euh, un groupe d'entraîneurs yo été ñom ñoy yobbu équipe nationale du Sénégal le Sénégal l'a connu ah oui ah oui ay des collectifs, ay ay collectif un duo d'entraîneurs, ñu dem mhm. ça a toujours existé Les grecs, ils ont bien am sélectionneurs, titulaire mais avant on avait des duos on avait des Koya et Pape Diop Koya euh, Yérim Diagne on a toujours connu ça ah au Sénégal voilà voilà Amara Traoré c'est pas un problème mhm. on peut le faire mais bon avec ces foofu on va voir mhm. hein, ce que l'avenir d'ici là euh, très bien ban jàngat nga euh, Sadio parce que les réseaux sociaux ont explosé mm. personne ne comprend ce xew Sadio Mané alors que match bi bien. Sénégal qualifié woon na avant de Guinée équatoriale. moi je pense que nous peut expliquer de plusieurs manières hein. mm. parce que tout le monde sait que Sadio Mane il a les retours d'information mm. il sait que chaque fois bu au Sénégal les gens disent qu'il n'est pas pas à la hauteur hein, de de de de de de l'attente des, sportifs sénégalais et du public. Alors que euh, vous n'êtes que fait de très bons matchs, de très belles prestations. Mhm. Donc je pense que d'autant plus que la, contre le Soudan, contre le Soudan, il avait une blessure, mhm. Il y a eu beaucoup de, choses qui sont dites par rapport à ça, des blessures diplomatiques. Il y a beaucoup de choses. Donc, l'homme, il faut intégrer. Donc après le match, il a dû penser à toutes ces, histoires-là. Donc le Sénégal est qualifié, c'est vrai, mais malheureusement, il n'a pas marqué un but. Il voulait certainement le faire. Parce que loolu mun loolu loolu jo loolu. loolu bokk ci. dama ne dafa bari yu mu ëmb bari toujours dit que le wax Sénégal tu fais pas de bon match etc. il est venu peut-être il avait envie de faire un bon match. Mhm. peut-être je ne dis pas qu'il est passé à côté mais il n'a pas marqué ce but. parce qu'en fait nous. li les Sénégalais disent rafetlu rek moom les xam Sénégalais surtout les les moins connaisseurs mhm. il faut qu'il marque comme ils marquent à Liverpool mhm. alors que les les Liverpool ça gagne le football. Oui, même Liverpool gagne le football. donc c'est pas mais c'est pas un buteur euh, né comme les un avant-centre mhm. c'est un attaquant certes qui peut marquer le but mais qui délivrer aussi des passes décisives donc loolu mën na ko jooyloo Benen aussi comme tu émotion on est qualifié maintenant il faut penser il a pensé certainement à l'élimination a ñu contre le Cameroun c'est lui qui a raté le pénal. mais coach il faut dem foofu. qualifié non, contre Soudan. non kan bi passé. il xam a pas ngi contre le Cameroun. Mhm. il avait raté son son pénal donc il y a des si dans sa tête. Mhm. Les vont on va à la reconquête de l'Afrique. Mhm. bon il a il a laissé sortir ça il a c'est l'émotion faire gagner ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Parce que mhm. négatif, mhm. ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas tellement le mental. On l'a vu avec Thiago Silva au Brésil. D'ailleurs, mm le Brésil a un match difficile sans Moudjoy. Finalement, il a même perdu sa place. Même à Paris, de temps en temps, quand il y a des matchs difficiles, ça que c'est le gars qui est Le problème mental. Là. Voilà. Habib, a Habib. Oui. Wow, Habib, wow, il y a un petit raisonnement pour Amsolo. Pour nous, pour nous, pour nous, affaire nous, pour nous, nga ne euh, da nga bëgg mettre sur pied un collectif d'entraîneurs. voilà voilà donc euh, comme je l'ai dit. si mm-hmm. mu toll suñu bàyyee mu continuer mm-hmm. lui-même il ne sera pas motivé parce qu'il sait que son contrat sera terminé. Mm-hmm. donc euh, l'équipe ne va pas être performante. alors ce que je suggère moi, comme day qu'il arrête maintenant. pour l'intérêt du Sénégal légui ñu jox ko ñu équipe un entraîneur mhm. qui peut gérer l'équipe et qui va aller avec l'équipe pendant trois mois pour euh, pour arriver à la Coupe d'Afrique. En intérimaire intérimaire. Ah. non on peut trouver un entraîneur on a tellement d'entraîneurs qualifiés pour cette équipe là. ouais mais entraîneur intérimaire. intérimaire. Uh-huh. voilà pour arriver à conduire équipe vous pensez à qui de Coupe d'Afrique. Vous pensez à qui, par exemple Comme quand Euh, non, vraiment, on a, on a beaucoup d'entraîneurs. Il comme ñëpp a ñëpp a ngi wax waxu waxu waxu comme euh, comment il s'appelle Ndiaye. Mhm. Euh, ki yore woon équipe bi avant. Euh, Karim Karim Sega Diouf. Karim yaa Karim Karim xam naa ne moom mënatul yore équipe léegi. Mhm. celui qui a génération foot. Mhm. ki nekk génération foot. génération foot la Ablaye Ablaye Ndiaye. Ablaye Ablaye Il y a qui est là et il y a tant d'autres. Omar Daf l'autre ci hein? Omar Daf. Omar Daf euh, moi je ne pense pas qu'il peut conduire mun l'équipe nationale ça serait ça serait le même cas. de l'UCC. Mm-hmm. donc c'est un entraîneur chevronné qui a une équipe nationale équipe nationale donc ñu mëna ki mm-hmm. man je ne pourrais pas parler de moi-même mm-hmm. euh, ñeneen ñi ñoo xam mm-hmm. donc c'est la fédération qui sait c'est le ministère qui connaît donc euh, mais c'est ça man ce que je demande mooy mu jóge fa léegi de ce fait mu am entraîneur bu mën a équipe bi euh, yóbbu en Coupe d'Afrique waaw parce que on sait que Aliou ne peut pas prendre la Coupe d'Afrique waaw bon et là euh, la, les, raisons encore, euh, le cas de, de Sadio Mane. Mais les larmes de Sadio Mane, ah. c'est des larmes révélateurs de ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale. Ah oui, moi n'est que alors parce qu'il est émotif, parce qu'il n'a pas fait un bon un match ah. et marquer le but ah. et se mettre à pleurer parce qu'on a raté des occasions combien d'occasions Sadio Mané rate par match mhm. rate occasion ni la tax Sadio Mané ne eh, nekk di joy kon lan la don joy sa gis-gis li mu don joy c'est tout simplement parce qu'il veut s'exprimer wax problème yu mu am au niveau de l'équipe nationale te munu ko wax mhm un Sadio Mané doit, après chaque, chaque match, et ça, on a vu ça dans toutes les équipes de haut niveau, il y a chaque match, après chaque match, normalement, Sadio Mané doit se présenter à la presse, voilà, après chaque match, uh-huh. normalement, Sadio Mané doit devant la presse, uh-huh. presse poser des questions par rapport au match. Mhm. toutes les équipes toutes les grandes équipes non la ñuy la Mbappé. Mhm. après chaque match da nga la presse malgré que du capitaine. Mhm. dañ koy oo oh, mu mu Moi, wax. Sadio Mané son problème. mooy xolam dafa fees parce qu'il sait xam na ne mën na def lu ëpp li muy def au niveau de l' équipe nationale. Mm-hmm. mais niñ ko utiliser malheureusement defuñu ko dans des conditions de performance. Mm-hmm. te loolu moom mën ko wax mën ko wax Aliou Cissé. Mm-hmm. mën ko wax fédération bi su ko waxee ñu dàq ko comme ni ñu dàqee ñeneen ñi ñoom Karambo Bojek. ñoom euh, Moussa Sow on va le renvoyer comme ça te dañuy ne alors kii. vraiment euh, dafa réew ak ñoom seen parce que man j'ai fait l' équipe nationale je sais ce qui se passe là-bas.

Euh, na jël ses responsabilités. bu ko nee man dama lay jouer le fi nga ne ko man mënu jouer fi même bu yeboo nga teg ko ci banc bi. oui mais mais xam nga un joueur même soo ko nee joué fi waaw ah. mu ne la du jouer fi fii. Mhm. du jouer foofu moo am importance. Mhm. mais ñi ko wër foofu. Mhm. ñu am importance. même su defee au niveau de l'aile gauche. te defoo fa ñoo xam ne ñi mën nañu déggoog ñoom pour ñu mën a pour mu mën a progresser loo bal bi. du dem c'est un système. Et le système, il est important pour chaque joueur. Gis nga Ismaïla Sarr. Mais ils peuvent mën def lu ëpp li au niveau de l'équipe nationale. Ah oui Mbaye Niang mën def lu ko mais xoolal Diao Balde. Mhm. parce que li mu war a li mu su fekkoon ne mën na am équipe bi da ngay créer ben task force. Mhm. nga jël ku melni ni Sadio Mané. Mhm. Ismaïla sar Mbaye Niang. Mhm. ñett ñooñu nga comme ni ñu travailler ñoom Neymar euh, euh, Messi ak euh, comment ak ak ak l'Uruguayen mhm. donc nga def créé une voilà mhm. donc task force nga nous ne ñii fu ñu ku et loolu il faudrait que entraîneur bi mun a def loolu Sadio même il ne peut pas prendre ses responsabilités un joueur ne peut pas prendre des responsabilités dans son équipe parce que c'est l'entraîneur qui donne des ordres. Mhm. Euh, euh, Benne question <clears throat> abi abi Ba euh, Soumaré bëgg naa ci wax ma je mhm. déglu ko. waaw abi dama juste une remarque par rapport à Sadio Mané. Mhm. compte tenu de son aura compte tenu de son standing je pense que s'il a il a il a sous amee problèmes, on ne mun a taxaw ak la entraîneur bi ne ko man je préfère jouer à ce poste là. pour qu'on presse bi relayer ko. je pense pas qu'on qu'on puisse le sanctionner à de ça parce que mon toll na foo xam ne balaa nga koy sanctionner di nga ko seetaat bu baax a baax ah, mais non mais c'est pas la même chose. Ah, ah, c'est le leader technique de l'équipe mun na taxaw ne comme tout le monde dit qu'il a des problèmes en sélection Vous expliquez. expliquer je préfère par exemple jouer à ce poste là en sélection Baham, moi je pense qu'il aurait pu poser le problème là donc euh, ak ñeneen ils ont donné leur point de vue. après on les a plus revus en équipe nationale. comme ça on saura que qui. il est là pour sanctionner les gens qui qui disent leur. Mm-hmm. leur waaw Habib ce chapitre rapidement. non non euh, il a posé cette question là. Puis, mm-hmm. Lolo, est ce que Sadio Mané n'a pas déjà fait ça. Mm-hmm. mu ne non non ni la bëgg nga Moubaï, mu bañ. ça ça c'est une possibilité. voilà léegi mu bañ. après le match. voilà mu voilà Légui, en même temps comme je l'ai dit un joueur le football c'est un jeu football c'est un jeu collectif. Mm -hmm. Sadio Mané sous décidé yo, yo, yo, yo, yo, euh, yow yow Soumaré muy man muy kenen, man quand je décide que mon joueur ni lay footballé. Mm -hmm. changer, mhm. ko changé dama koy mhm. parce que day sous suma système su fekkee ne wóolu naa suma système. Mhm. si un joueur bàyyi système entraîneur. def système parce que c'est pas que système entraîneur bi baaxut. Donc il faudrait réfléchir sur ça. Mhm. Sadio Mane ne peut pas dire que demain je suis responsable, je prends le ballon, je dribble tout le monde et je, marque. C'est pas possible. Il faudrait qu'il passe mhm. par d'autres joueurs. Mhm. su fekkee ne joueurs euh, pour ñu jouer avec Sadio Mane mais il yi du dem fenn. Sadio Mane c'est est le meilleur joueur au niveau de l'équipe nationale. C'est la raison pour laquelle musu va jouer. mais Aliou Cissé ne sait pas comment utiliser ce gosse là té bëss bu waxé mu am problème. Mhm. c'est la raison pour laquelle Sadio Mané di joy mhm. joy yi lool parce que mën def lu ëpp li muy def mais on l'a pas euh, defuñu ko dans des conditions de performance pour mu def loolu. Mhm. c'est clair. la euh, la fédération bu mu ñu jéem nax. nan alors parce que le gosse il est un peu faible il a un caractère bo xam bi c'est faible motax muy c'est pas ça. Sadio Mané li muy def équipe nationale amul benen jour bu ko fay def très très bien ñu ñu jàll ci benen ci benen ponk hein. euh mhm. hein ci benen euh, ci benen thème. moy mhm. le Ballon d'Or puisqu'on parle de Sadio Mané. Mhm. Hein. il est en course pour le Ballon d'Or euh, africain. ak euh, meilleur joueur BBC. BBC hmm? loolu yëpp dinañ ko xam ci décembre bi. euh bala malay balaa yow lay njëkk euh poser question par rapport en tout cas à euh Kalidou Koulibaly y a Mohamed Salah. tay ñu bari ñi ngi naan y a pas y aura pas photo. Mm-hmm. lan lan lan nga ci xalaat. way les y a la presse presse bi wax na ko am na ñu ci wax. Mm-hmm. Euh, les réseaux sociaux wax nañ ko tant que Aliou Cissé est là. Mm-hmm. Sadio Mané ne sera pas ballon door parce que ne peut pas être performant dans son équipe. <laughs> Ça, man, je le, damay répéter, parce que man, je, dama ñeme wax, li nga xam li gaa yaa nga wax ci suuf. Li may wax nii, du suma xalaat man kese. Li may liir la, ak yéen li ngeen di liir bés bu nekk. sans il est là. imagine toi Diao Balde. imagine toi euh, normalement si avait si on avait un bon entraîneur si on toll au niveau de l'équipe nationale du wax waxu Ismaïla Sarr Il y a pas un joueur dans le monde qui est meilleur que ce gosse là. il est extraordinaire. Mais nous Def à cause, à cause du système de qu'on est en train de jouer, parce que notre équipe n'a pas de système de jeu. Mhm. Mhm. Donc, Sadio au niveau du ballon d'or, kon équipe nationale bi moo ko bloqué. équipe nationale si maintenant euh, euh, euh, Koulibaly était un attaquant du ñu waxaale ballon d'or. Mmh. c'est lui qui sera le il est extraordinaire et et et toutes les équipes du monde. Mmh. sont en train de ñu ngi rey seen bopp pour am am Khalidou Koulibaly cette équipe. Mmh. mais malheureusement c'est pas un attaquant c'est un défenseur voilà très bien mais Salah attention à Salah Salah moom pratiquement mën nañu wax ah. oui normalement c'est Salah est là-bas parce que vraiment il est il a un bon entraîneur dans son pays. Mm-hmm. et nous ngi koy toppatoo bu mm-hmm. donc euh, effectivement parce que Ballon d'Or ñun ñoo mm-hmm. euh, euh, la fédération. les supporters la presse ñun ñoo koy jox suñu joueur. mais ñun lan ñu alors Sadio Mané il a des problèmes alors que Sadio Mané n'a pas de problème c'est son entraîneur qui a des problèmes. Mhm. Mhm. Voilà. En, tout cas, merci beaucoup, hein, Abid. <laughs> merci. merci. Merci vraiment. Euh, ok, allez, merci. On, fait ça, Voilà. Merci. Merci beaucoup, Abiba. Hein, alors, euh, Ballon d'Or, avec euh, meilleur joueur BBC. Oui, moi je pense que oui, la balance va pencher du côté de Salah pour, mhm. plusieurs, pour deux raisons. D'abord, il continue de double but avec Liverpool. Mhm. Il est performant. Et aussi, il est performant avec sa sélection. Pour mm match les il marque des buts. Pour mhm. l'Égypte, Alors que Sadio, peut-être il brille à Liverpool, mais il ne brille pas en sélection. Mhm. Pour, pour, pour, prétendre à ces ballons, il faut être performant partout de ñom ñaar yëpp boo xoolee ñom ñaar ñoo bokk club. ñom ñoo bokk club fekkoon ne bokkul ñoom club sax ñu naan non Sadio Mané joué na finale Ligue des champions. voilà mais voilà donc. mais euh, attention Sadio Mané dugal na but. finale waaw en finale de Ligue des champions. contre la grande équipe du Real. du Real malheureusement ils ont perdu. c'est pas un but qui a permis de gagner le match. mais sur l'ensemble de de ces saisons là ça Salah est beaucoup plus régulier. Mm-hmm. ça aussi sans et, puis Sadio aussi équipe nationale faire une performance peut-être rombo premier tour. En, coupe du Salah, il a été finaliste de la dernière CAN. il est parti au mondial comme comme comme Mané. ils se sont ils se sont mais voilà mais Salah est beaucoup plus décisif en équipe nationale. différence c'est bien d'être de figurer sur le podium. Mhm. mais pour un défenseur ce sera très juste encore. Mhm. par rapport à mais mais un il reste quand même un très bon joueur. Mhm. voilà très bien. Alors, en tout cas, Ballon d'Or euh, BBC, avec, euh, plutôt meilleur joueur BBC, avec euh, Ballon d'Or africain. Je rappelle que le Ballon d'Or, euh, est fait au Sénégal au Sénégal hein, et malheureusement. mais. <laughs> on peut mais on peut avoir au moins deux Sénégalais sur le podium. sur le podium hein, c'est déjà hein, ça Moi, ci trois premiers. deux Sénégalais. oui c'est tout Salah premier tamit mën peut-être deuxième wala. Salimane ou Kalidou Koulibaly en tout cas il faut entre Kalidou Koulibaly ak Sadio Mané. Ah, waaw pour pour la deuxième place. Euh, parce que c'est vrai que euh, Kalidou Koulibaly la finale Ligue des Champions mais euh, les plus performant en équipe nationale avec son club. mu mhm. Sadio Mané. waaw en équipe nationale mom Je koy encore peut-être moy voilà voilà défenseur moy défenseur mhm. ensuite N'ap N'ap, bi mu fi titre mère, bon. Mhm mais sinon sur le plan de des prestations individuelles. Mhm. vraiment il sort vraiment du lot la preuve. Mhm. toutes les grandes équipes euh, nous ont koy courtiser quoi. Mhm. donc alors défenseur de bariwuñ même en Europe Baroun lu ñuy Ballon d'Or hein, meilleur joueur mais Amna quand même. oui. Hein? Ça, a existé dans le temps. Il y a eu, à mon même gardien de but, hein? Ah Lev l'un des premiers gardiens de l'ex-Union soviétique, où ce n'est que Ballon d'Or. On a eu Franz Beckenbauer, dans les milieu des années 70, il a été Ballon d'Or en tant que libéraux. Canavaro aussi. Canavaro, il a récemment, le, dernier défenseur à avoir pris un Ballon d'Or, c'est Canavaro. Oh, Donc ça peut exister. Mais période beau aussi, il y avait pénurie d'attaquants aussi. Parce que Canavaro, c'était pas. C'était pas. C'est le Ballon d'Or le, euh, plus, le plus. moins, mitigé, quoi. parce qu'en fait. Canavaro, c'était un bon défenseur, certes, mais il n'avait pas la classe d'un Beckenbauer mm-hmm. ou bien de. Voilà. Mm-hmm. Très bien. Alors, nous allons maintenant parler de Ligue 1 de football professionnel. Giraffe de Dakar. Je rappelle que tu as gagné 1 à 0 contre euh, enfin. du Togo en Ligue phase préliminaire de la Ligue africaine des champions. 1 euh, à 0 au stade Léopold Seda Senghor. Mais ça risquerait de ne pas suffire. Mais c'est la première victoire du Giraffe depuis le début de la saison. C'est ce qu'il faut noter d'ailleurs, c'est-à-dire euh, saluer cette première victoire, mhm. parce qu'il faut rappeler que le Giraffe était champion l'année dernière. Ils ont joué 5 matchs en Ligue 1 cette année. Aucune victoire. Mhm. Donc défaite et match nul. Donc là, ils occupent même la 9e place. Mm, Adversaire du jour, ils ont gagné le corps du, du, Togo. Nous mhm. comme euh, par hasard, ils sont 9e de dans le championnat. <laughs> dans le championnat. Donc ce n'est pas tellement ça cette saison. Mhm. Donc Djaraf gagne un but à zéro. C'est bon à prendre, mais il va falloir défendre ce but-là, dès que ses ongles il fallait. Parce qu'un but, c'est c'est bon. Mais il, faut il, faut marquer. Il faut marquer là-bas pour, tuer toute ambition des Togolais. Donc moi je pense que c'est une victoire qu'il faut saluer, parce que c'est une première. Peut-être que ne débloquer le compteur des victoires par rapport à cette saison. Et qu'au match retour, ils vont pouvoir quand même au moins essayer de marquer un but, sinon de défendre le acquis. Mhm. Mais est-ce que cet effectif du Djaraf peut faire de euh, saison Parce qu'aujourd'hui, le Djaraf, c'est l'équipe la plus titrée au Sénégal. ah qui qui manqué ci trophée c'est la coupe de la ligue. est-ce que effectivement bi le championnat bi ni muy demee nii am nga ne équipe mais ça va être très difficile parce que mhm. déjà retard bi accusé déjà. Mhm. on sait que le championnat. 3 points là en premier, il y 8 points. Voilà, donc aussi, c'est très difficile d'enchaîner des victoires. Donc il n'y a pas un grand écart, mhm. mais il va falloir être performant, aussi bien en Afrique et aussi en championnat, parce que il va falloir jouer sur plusieurs tableaux. Donc, est-ce que le Djarab a un effectif pouvant jouer sur plusieurs tableaux C'est la, grosse question. Donc, ce qu'on a mais beaucoup faut que Je pense que l'objectif premier, mhm. c'est de faire partie de la phase de poule en Ligue des Champions. Comme l'a été naguère la gendarme de mhm. Dakar. Mhm. Alors, mais Benen Kotebi aussi, nous avons la Sonacos, euh, ouf de soulagement. Hein? première victoire en à Petite Côte. voilà donc euh, il faut reconnaître que c'est euh, un problème moi recevoir à Djurbel parce que stade bi pareegul. ils reçoivent toujours à Kaolack l'année dernière donc. ils ont fait une très bonne saison l'année dernière, mais ça use à la longue. Mm-hmm. parce que pour jouer ce championnat bien sur des terrains tout te déplace tous mm-hmm. les dimanches. Mm-hmm. c'est fatigant c'est c'est épuisant c'est pour les nerfs et pour le moral donc. Rennes, ils ont pris le premier victoire au détriment de Mour Petite Côte, mhm. qui est en train de patauger dans les bas-fonds du classement. Mhm. C'est une victoire à saluer et je pense que ça va faire un déclin. Mais si nous donnons jouer à Albourinja, c'est cet stade, vraiment, nous allons gagner soulager. Parce que nous donne d'ailleurs aussi une victoire. Hein? Non, qui nous donne d'ailleurs une victoire vraiment. Duel de mal classé. Wow, premier, premier match. Madjaraf hein? en ouverture de la saison. Oui. Yep. Yep, Amon Yakar. Parce qu'ils ont remonté le Djaraf quand même de deux buts. Mm-hmm. Mais malheureusement après ça, il n'y a plus rien. Donc, euh, mais je pense qu'on est en début, cinquième journée, mais il va falloir que les équipes se remobilisent parce que c'est un championnat qui va être difficile. Les points seront à disputés. Mm Donc si on perd des points en cours de route, mm-hmm. donc il n'y aura plus d'ambition pour le podium, mais ce sera des ambitions de maintien alors très bien venons de joué ci euh, ci championnat on rappelle également que l'Idal Sonakos Sonacos dal Teungueth FC. Ah. FC bi mu la saison bi mu recevoir à Galandou Diouf. matcham yëpp yi mu recevoir foofu dafa gagner. dafa génn foofu rek gagner donc ça prouve que recevoir au domicile c'est important. c'est important parce que vous avez des habitudes vous avez des repères. est-ce que loolu du problème Ouais, mais... Parce que le Djaraf ne reçoit pas à domicile. Hein? Ouais, Djaraf, hein? ils vont se déplacer. Même Gorée. Parce que même, qui... même à Dembadjop, tu es à domicile. Non, Djaraf, bon, c'est le, le, grand problème des clubs Dakar. Quel homme c'est ça Région. Nyari Mangambao. Nyari Mangambao, Gorée C'est un problème championnat. Les équipes sont complètement détachées si c'est un supporter. pas sa terrain d'entraînement adéquat. Donc, ils louent, louent. Donc, c'est hmm. très difficile pour nos clubs sénégalais, malheureusement. Très bien alors le petit destin, bi ci ci li euh, championnat Espagne. Mm-hmm. le Real de Madrid euh, qui joue présentement. Mm-hmm. Euh, en Ligue des Champions contre AS Rome. 3-0 mm-hmm. ça fait du bruit Hein? au moment où bi confirmer Solari sur le banc du Real Madrid. juste après mu 3 buts ban jàngat nga siy def. Santiago Solari c'est un ancien joueur de club bi mu yore woon la petite catégorie ñu indi ko xam dañ ko jëloon pour une transition parce que xam nañ ne ren. Real dafa toll si benn fin de cycle. parce que tamit équipe non la. trois fois d'affilée nga jël Coupe des champions. perte le meilleur joueur l'un des meilleurs joueurs au monde Cristiano Ronaldo. teglante Ligue des champions ak championnat aussi. waaw donc ils ont vraiment ils ont tout gagné donc. Zidane tam dem donc il fallait recommencer. Zidane crise, ben, ils ont que. ouais, rek problème parce qu'ils ils ont senti que. c'est presque 50 ils ont ils ont eu un flair parce qu'ils savaient que dañu atteindre un fin de cycle c'est comme ça ils pouvaient pas faire mieux que ce qu'ils ont fait durant les trois dernières saisons. donc ils ont cherché un autre challenge ailleurs. Mhm. Donc malheureusement pour les entraîneurs comme Lopetegui, comme, comme euh, <laughs> Santiago Solari, mhm. ils ne vont pas pouvoir redresser la barre. Donc, compliqué. au moins, compliqué. Au euh, euh, Santiago Solari... Ouais, saigner mais ils ont, sont retrouvés dans le travers mhm. en prenant trois buts contre une équipe qui n'a jamais battu le Real de Madrid. Mhm. Donc, je pense que Real, ils vont essayer de sauver une saison en attendant de voir mieux l'année prochaine. Mm, juste, se, qualifier en... Se qualifier, aller très loin en Ligue des Champions, parce que l'Olip, chaque fois que vous passez un palier, mm-hmm. il y a de l'argent qui rentre dans les caisses du club. Mmh. l'équipe équipe de quoi ils renfort le Real Ils ont besoin d'un attaquant qui va marquer, parce que on, parle, beaucoup d'Hazard. Oui, hasard parce que il a, à Chelsea, mhm. il a tout fait là-bas. Il a envie d'aller voir ailleurs. Mhm. c'est important pour un footballeur de grande. Mbappé, c'est possible Mbappé, c'est possible, mais je pense qu'il a un projet avec le PSG Rennes. Mhm. Si le PSG ne passe pas le cap, je pense que Mbappé va partir l'année prochaine. Non, PSG, mon bout de Non, voilà. Donc, je ah. pense qu'il a, il avait, il beaucoup de projets PSG pour amener une Ligue des Champions. Je pense qu'il va voir ce que ça va donner d'ici euh, cette rencontre de demain. Après, peut-être il va commencer à cogiter dans sa tête. Très bien. Le deuxième point de ce magazine, euh, débrief, euh, moi, Wallou Anbal. Hein? Mm-hmm. Euh, on a fait le tour du tour du sport. on hein. Denis dañuy wax ci la canne de Anbal le Sénégal euh, tey a guddi la ñu Paris. dem dem Nantes plutôt dem Brazzaville pour la pour la CAN mais balaa ñu ci wax dama bëggoon ñu seetal ma Tidiane euh, Tidiane de de de Stade les spécialistes de la couverture de handball. ñu ñu ñu ànd ak moom. Euh, def nañ préparation ils ont gagné euh, contre la Guinée. un match de préparation ginnaaw bi ñu gagné contre le Nantes. léegi ñu ngi dem ci Coupe d'Afrique ñoom ñooy ubbi la CAN. ban jàngat nga ci def. jàngat bi ma am mm. parce que comme ni nga joué nañ deux matchs amicaux vraiment avec des résultats positifs gagné nañu gagné ba Guinées. Guinée donc avec un écart assez consistant et je pense que je aussi dañu dañu envie de monter parce que la dernière canne ça, ça, va, laisser un goût amer mhm. à tout ce qu'on sait. Hein. Donc je pense que cette saison, je pense qu'elles vont y aller avec beaucoup de détermination. Mm bonsoir bonsoir euh, Sambou Biagi. voilà Tidiane Ndiaye ñu fàttali rek ne le journal euh, quotidien Stade. Euh, nga es aussi spécialiste du handball de la couverture du handball. alors c'est suivre nga préparations préparation dernière préparation équipe nationale du handball. Mhm. ginnaaw Lolo, loolu yow ban jàngat ngay def ci préparation est-ce que vous nañ am yaakaar ci ñoom ci lu jëm ci bon euh, c'est vrai que bon euh, préparation est dama à distance mais mhm. nous sommes toujours en contact avec les filles mhm. parce que nous ngi nous euh, discuter avec échanger mhm. mais ce ma je a dire, c'est que nous, sommes parrainés. Nous sommes nii ñoom pare nañu donc nous avons aussi une détermination pour nous. Euh, décision sax parce qu'elles sont plus que décidées aujourd'hui parce que l'Union ñu bëgg euh, mission que Sénégal qualification mhm. historique au mondial pour moi, il faut nous mhm. beaucoup trois premières il faut nous donc euh, tey dit ni euh, pratiquement boo xoolee euh, équipe bu Sénégal amul ay changement yu bëri boo xoolee c' à peu près quatre à 5 éléments près. Mhm. boo les deux gardiens ak quelques joueurs de champ. Mhm. mais ossature bi mu ngi fii des joueurs expérimentés Nous ñu ngi dans de grands clubs en en France. Mhm. donc tey c'est boo sax seen seen saison ay saison yu baax la avec seen club yi. donc maa ngi doon xool sax seen seen seen statistiques yi mais vraiment statistiques bu baax lañ def. Mhm. te aussi travail bi ñu def en sélection boo xoolee ci match bi contre la Guinée. Mhm. et il faut ñu wax ko équipe bu Guinée ren xale yi nee nañu dañu renforcer wu. Mhm. mais am loolu terewul Sénégal. maanaam ci diggante ñaari at Sénégal 12 bi Dakar la moo la la rawe woon Guinée. ça veut dire que tey jii nii après match bi ñu joué euh, contre la Guinée dañu en quart de finale euh, en 2016 Coupe d'Afrique Sénégal dor dor Guinée alors euh, écartu 12 bi ñu ñëwaat ci euh, préparation bi Sénégal Doratko, ko écartu 12 bi ça veut dire que xale yi niveau bañu amone en 2016. et c'est sans et sans Dungu Camara. Mm. voilà sans la capitaine Dungu Kamara, donc dont nous regrettons son absence donc mais je pense que quelque part euh, le sélectionneur Frédéric Boujan a une ay solution de rechange ba tax équipe bi euh, alors taxawaay bi mu waroon am gis naa ne dal man ci sama jangat Euh, équipe bi fa mu nekkoon euh, niveau ba mu nekkoon ba léegi bu yokkul wàññeekul. Mhm. donc ñuy am yaakaar ne tamit aussi ñoom bu ñu demee ci Coupe d'Afrique bi saa euh, veut dire bon ñaari match yu difficile nag la ñu am d'entrée maanaam mhm. contre Cameroun ak Tunisie mhm. donc te ñoom ñu ngi koy waajal bu baax a baax parce que ñoom nee nañ sax boo xoolee sax loolu moo leen gënal donc ñu commencer par le plus difficile Et eh, pour dinañu nous loo xamante ne tey Sénégal en force compétition africaine que en 2016. Mhm. qu'elle se fasse justice mhm. euh, à la face du monde. c'est vraiment euh, dans la mesure du possible. Mhm. sans offrir ou quoi que ce soit équipe c'est une équipe de valeur le Sénégal pour compter sur cette euh, sélection féminine. Ah, ah, da nga bëgg la victoire contre la Tunisie de leen contre contre la Guinée en match amical. Euh, bon boo sax ñom c'était un match bo xamné bon pratiquement quelque puisse être le ce n'est pas minimiser la Guinée mais tay jii ni bo xolé Sénégal équipe bi mu am wax deug yalla ak bu Guinée c'est pas la même chose. Mhm. le Sénégal pour nga mun ko mesurer dëggantaan l'équipe du Sénégal li mu euh, sa va valeur réelle il faut nga il faut ñu nekk euh, des équipes comme le euh, le Cameroun. Mhm. wala la Tunisie tay euh, boo xoolee équipe yooyu noonu vraiment ñooñu le Sénégal war a rivaliser sur la scène euh, africaine mm-hmm. mais la Guinée vraiment euh, victoire bi c'est vrai que c'est très bon pour le moral parce que tey jii nii Sénégal bu ko Guinée dooroon en match amical ñëpp dinañ am njaaxare. parce que luñ doon xaar moy ñu gagne gañ Guinée. Ah, bon victoire bi nak avec 12 buts d'écart lolu day day wone né xalé yi seen taxawaay rafet na te ñu yaakaar ne loolu day dem karam ñu démé Coupe d'Afrique. très bien euh, benen décision bu fédération ak euh, staff technique euh, bu équipe nationale handball moy d'une le dun dungu dafa dafa blessé il est for elle est forfait pour la CAN mais nee nañ dañ koy yobale d'ailleurs ailleurs ci groupe bi pour euh, Brazzaville. ah oui décision bobu man personnellement euh, quand bima bima waxtane ma waxtaanee dungu mu ma mom day dem parce que man bon yaakaaruma carrément sax. Mhm. donc euh, man bi ma nee day dem dal vraiment man j'étais tellement contente pour elle et pour le Sénégal parce que je xamna un rôle bu muy jouer dans le vestiaire. Mhm donc euh, c'est une joueuse bo xamantene ne tey jii euh, elle a du caractère té xamna né ne ñi mu nekkal dañ koy déglu té je sais que tey jii nii alors dina jouer un rôle important euh, à Brazzaville elle n'y va pas en tourisme mais je sais que elle va vraiment apporter euh, quelque chose à l'équipe sa présence rek day amna lu muy jouer amna lu muy jouer ci état d'esprit joueuse yi. très bien voilà Tidiane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf faut maa ngi voilà nous fàtt rek Tidiane journaliste là au quotidien Stade n'est hein, nekk aussi spécialiste de la couverture des événements de euh, handball pour ne pas dire un spécialiste euh, du handball hein. merci Tidiane alors euh, donc on va terminer tout de suite alors par rapport en tout cas à cette présence de Dungu mhm. hein, euh, mu nekk euh, capitaine bi mu blessé ñu ne elle est forfait mhm. presque àdduna bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee. Mhm. Euh, du du jouer mais mu ngi ci mu ngi ci groupe bi. ànd ak xale yi. Mhm. waaw loolu c'est une bonne chose parce que Dungu Camara ñëpp xam nañ talent am ñëpp xam nañ charisme bi muy dégagé en tant que capitaine mais malheureusement blessure moo ko écarté mais elle a tenu à faire ce voyage là avec ses coéquipiers comme ça bu demee comme ni ko Tidiane waxee léegi leader de vestiaire pour apporter un plus et je pense que ça yi jouer pour moi parce que comme nous fi fait, koy sóoraale buñ ko séné ci tribune suñ ko une ci tribune pour pour pour une victoire donc mm-hmm. je pense que c'est dans les codes de cette équipe là parce que trois premières places beaucoup de mm-hmm. ce sera une qualification historique pour le mm-hmm. mondial de handball une première pour le Sénégal hein, côté donc je pense que ne euh, elles vont pas les sur les moyens pour y parvenir parce que nous vraiment on les donne pour nous mhm. euh, pour le handball sénégalais qui est en train quand même de revivre il faut le reconnaître très bien en tout cas merci beaucoup Alioune Soumaré euh, Yakarna il def nañ le tour des hein, des des disciplines mais que la génération foot joue demain contre Oria, euh, de, plutôt, de, de, de, de Bamako, Mali, de Bamako. Bamako. Hein, ce sera également un match important pour Très Génération important. Foot. Génération Foot n'y fait d'accord repose, reposer woon yenen joueurs yi. Mhm. Euh, ci journée bi bi génn. alors la CAN de handball c'est du 2 euh, au 12 à Brazzaville au Congo hein, la ñuy tëjee mm, di ñaanal gaynde yi. Mhm. Hein, di leen wax ni les tous les sénégalais sont derrière elle. non mhm. hein, ci lu jëm ci le coupe d'Afrique Afrique bi le Sénégal euh, se mobilise comme tout, le temps autour des, équipes nationales en, compétition. Donc, euh, nous avons aussi tous les Sénégalais sont derrière eux, à commencer par le chef de l'État et le petit Sénégalais même s'il n'y a pas de petits Sénégalais. mais qui est dëgg na vraiment nous ngi euh, donc nous avons fas jom nous ñu voilà, ils ont le drapeau du Sénégal entre leurs mains à propos justement de cette Coupe d'Afrique des Nations euh, de handball féminin. Concernant le cas à l'UCC, à l'UCC aussi, il faut comprendre Mom, c'est un Sénégalais. C'est pas un Malien, c'est pas un Tunisien, c'est pas un Français, c'est pas un Gambien, c'est un Sénégalais qui a joué en équipe nationale du Sénégal, qui a été capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Boumou interm, l'intérêt. n'a intérêt des Sénégalais, l'intérêt de la nation intérêt sénégalais moy euh, moy Sénégal jël coupe d'Afrique war nako mën. Mhm. parce que il a les diplômes pour ça. il a la mentalité pour ça il a le vécu pour ça mais amna lo xamantene mo ne ngi am ci équipe nationale yow ya ko indil sa bop nga war ko éviter moy les états d'âme. Mhm. tay ñep xam nañ Il y a des états d'âme en équipe nationale du Sénégal. lolu mom je Cissé war na éviter l'Olu. fédération jappalé ko ci lolu leneen ni moy côté contrat yow Aliou Cissé waroo ne man bu fekkente ne signalu leen contrat man du yor équipe nationale parce que genre liquidation lay doon je pense que warou raisonner noonu en tant que patriote. la logique voudrait que yaa ngi équipe nationale depuis 4 ans amul presque benn benn entraîneur bu toog équipe nationale du Sénégal pendant 4 ans nga war a jàpp ne yow faveur bañ la may amul benn entraîneur sénégalais teint noir comme yow souche sénégalaise comme yow bo may nañ ko chance bi nga am. Mhm. donc mo wara a Sénégal dafa soxla trophée Si Coupe d'Afrique 2019 bo gagné. mën nañ la prolonger sa contrat mais nak ngel la Coupe d'Afrique ñu gagné la quart de finale nga la Coupe du monde ñu nga le premier tour xana nak may la chance gagné, Vous avez ñaanaluñ la ko da wara bay suñu équipe nationale Vous yor ko kenn ku nekk on se sépare à l'amiable nga xam ne français doo gambien doo Indiens, doo indien sénégalais nga nga war a équipe nationale bu Sénégal gabay bàyyi ñi lay dugal ci yenn yi di la naan bagnal bañal boo am entre quatre ans en quatre mois beneen entraîneur donc voilà le message que je j'aimerais délivrer comme nous koy faral di defee hein, à chaque fin d'émission merci d'avoir suivi bien sûr votre magazine Débrief magazine sportif. On va se retrouver euh, très prochainement, mardi prochain, pour un autre numéro. du hein. Merci et je vous souhaite bonne soirée.